Salut les amis de Babo merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des like, merci de des abonnés, merci également gars des bails, c'est les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais, fait fouler maintenant 14 régions du Sénégal, Roukh Roukha, Djorgor Goradwa, Diaspora bi, ñu ngi leen di jaajëfal, ñi nekk également ci l'hôpital yi ci kër yi te di feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp nga wér ak jàmm, ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ba giñ leen ñu defal moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot, ñi delluwaat doona suñu borom xal leen àjjana fi daw si gars yi te yéex On avance ensemble dans la magie de Babo CDI Sport TV, l'actualité en continu actualité bi on va parler du 4-3-3 4-3-3 nag dafa am 4-3-3 4-3-3 euh, à pointe hausse haute plutôt 4-3-3 à pointe basse lan la dañ ci waxtaanee jàppale ko nag jàngat gi jëmale ko ci Guardiola qui également qui di Aliou Cissé avec équipe nationale du Sénégal le tax ñu 4-4-3 4-3-3 plutôt également l'année avantagé avantage et il faut savoir également que 4-3-3 de nekk boo système de jeu de boo le système de Cissé da privilégié Nous, tax nag que privilégié ci indi parce que le système de 4-3-3 est un système de xam qui a créé un équilibre au niveau de ton équipe mais également d'y permettre aussi style de jeu bi nga si c'est Aliou également faire toujours recours aux deux arrières latéraux pour nous nek di et tout mais également euh, donner plus de possibilités et de chances de but à son attaque ki nga Pep Guardiola bokk na 4-3-3 bi Vous bu gagnez am ci la bok. ndax on se rappelle de son passage du côté donc de FC Barcelone en 2010 2011 bi nga mais aussi le 4-3-3 c'est une continuité du 4-2-3-1 bi nga Guardiola mon la teg du côté donc de Manchester City parce que c'est parce que le même système ça a changé parce que les 4-3-3 va les permettre de évoluer en envers d'autres systèmes tu 4-2-3-1 le 4-5-1 voilà également 4-1-4-1 le 4-4-2 aussi le Manchester le 4-3-3 donc c'est une défense donc à 4 avec deux deux deux défenses axiaux avec également deux arrières latéraux am li nga donc milieu de terrain en pointe basse ou en pointe haute deux milieux également euh, sur les côtés relayeurs am également euh, deux ailiers et un attaquant de pointe l'ol moy système de 4 3 3 moom mang ngi ko wax dans len système de 4 3 3 dafa am li nga xamné du Guardiola daf ko tegon tek le 4 3 3 à pointe basse 4 3 3 à pointe basse de koy moy mooy gis ngeen disposition bi ni avec le Barça avec ses euh, quatre défenseurs qui étaient donc Abidal Mascherano Piqué ak est Dani Alves am ki en Busquets nek en donc pointe basse nek pivot wala ñu tuddee ko sentinelle euh, am Xavi ak Iniesta également ngeen Messi Villa ak Pedro nek si euh, côté système de jeu le boo également bu 4-3-3 à pointe basse bu Findel koy firndeel ci Sénégal day li nga xam ne la Aliou du avec les quatre défenseurs axiaux Koulibaly ak Niakhate Koulibaly Abdou Diallo ci côté nga am Sabali beneen côté bi nga wala nga euh, Nicolas Jackson euh, plutôt Ismaël Jacobs am également deux milieux de terrain Juste si qui ne di Idrissa comme nous voulons waroon par Ismaël. Si vous Ciss wala nga teg et tout Lolo boo ko am deux ailiers qui di Sadio Mané ak Ismaël Spiridza ak pointe Lolo 4-3-3 la pointe basse parce que tu as un pivot Monaco système bi nga lors de la coupe d'afrique 2019 l'inac nak lan avantage 4 4 3 à 4 3 3 plutôt à pointe basse moy que premièrement day permettre li nga sécuriser cette défense c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, avec trois milieux de terrain dont un milieu de terrain jouer le rôle de pivot ou bien le relais de sentinelle entre le relais entre la défense et le milieu de terrain dalay permettre gars gamme équilibre donc le jeu de de de ce 4-3-3 est tourné vers les ailes côté donc Monta donne ça donne plus de possibilités aux arrières latéraux de pouvoir monter et de participer au jeu offensif mais également de permettre aussi li nga donc par exemple qui dit Sadio Mané également qui dit euh, Ismaïla qui ñu qui sont toujours libres et également un numéro 9 qui joue le rôle de pivot mais aussi qui également euh, participe au jeu de dédoublement mais aussi le cap 3-3. 3 moo 6 système bii ñu tegoon avec l'Algérie ñu jéemoon préparer ben 11 onze de départ bo xam ne jël jëloon Dion Léppi joué loo ko ci ñu gis plutôt pas Matar euh, style bi ñu joué maintenant comme je disais le 4-3-3 demande beaucoup d'effort physique, mais également demande beaucoup d'intelligence et aussi c'est un jeu bo xamné il se faut des joueurs capables de euh, couvrir les espaces ou de pouvoir se placer entre les espaces comme nous nga ramené la Manchester City donc le 4-3-3 avec un 4-3-3 à pointe basse c'est également on peut l'appeler un 4-3-3 défensif parce que comme je le dis sur le plan défensif de dégâts assurer parce que avec cette, disposition les espaces que tu as parce que quand tu as trois milieux de terrain et qu'en face tu as une équipe qui a 5 milieux de terrain ou 4 milieux de terrain des bails et espace du couloir donc espace non le fait qu'il y am une pointe basse bu nekk moi ginnaaw permettre bu première ligne défensive de terrain bi dañ ko di qui ko si c'est le troisième milieu de terrain mu bokk que un système à 4 5 1 ou un système à 5 4 non, 1 petit Donc, c'est une disposition. Et comme je l'ai dit, les arrêts latéraux participent beaucoup au jeu offensif. Et avec ce système de 4-3-3 à pointe basse, d'ailleurs, vous savez, arrêts latéraux coulissés d'un ce milieu de terrain des à me fat. Maintenant, aussi, il y a une autre disposition qu'on appelle le 4-3-3 ou à, pointe haute. 4-3-3 à pointe haute bon, maintenant, da a milieu relayeur Maintenant, da a numéro 10 donc tu as deux euh, pivots deux milieux de terrain défensifs ou semi défensifs Une que devant la défense nga milieu de terrain Bon, xam ci il jouer ah, parfois Nico Guardiola le fait quand Tu joues à une un 4-3-3 à pointe haute et la possibilité que ça te donne également ça te permet également de pouvoir changer ton équipe de passer à 4-5-1 en phase défensive et parfois également quand tu veux créer le surnombre de pouvoir jouer avec ce système et parfois même de jouer avec un 4-3-1. Donc le 4-3-3 à pointe haute, ça te donne beaucoup plus de possibilités offensives parce qu'elle permet comme je dis, à cette équipe parfois mieux en possibilité de marquer des buts parce que plus tu as des attaquants en haut, plus également tu donnes de la liberté à tes deux excentrés de pouvoir également permuter et de faire le jeu intérieur comme Nico Sadio Manek Ismail Sarr, Didé style de jeu pour Alucissé. mais également, il y a des inconvénients, comme je dis, quand tu évolues en 4-3-3, tu laisses des espaces au niveau du milieu de terrain. Donc, et quand tu laisses des espaces au niveau du milieu de terrain, équipe adverse, vous est en phase de contre-attaque ou bien en phase d'attaque placée de les mener à Moi, également, c'est pourquoi euh, le plus souvent les entraîneurs essaient d'utiliser le 4-3-3 à pointe basse, comme j'ai dit tout à l'heure, pour permettre de couvrir derrière. Mais pour un système de 4-3-3, ça demande des joueurs intelligents, ça demande également de jouer le, joueur joueurs par rapport à leur disposition et poste pour poste bañ dit jouer le joueur benen poste pour le postam et en même temps ça demande aussi beaucoup d'effort physique donc pour que nga am 4-3-3 monofonctionnel, il faut nga am joueur bu nekk nga jouer ko rôle de Gantan. tu peux pas prendre un milieu défensif nga peux jouer un milieu relayeur il faut rek nga un milieu relayeur de métier jouer le un milieu relayeur bu que tu veux jouer en 4-4 4-3-3 euh, pointe haute si c'est un 4-3-3 à un pointe basse également il faudrait au moins un milieu de terrain pour ramener aussi gars Il dina le jeu vers l'avant notamment en étant le relais entre le milieu de terrain et la défense gars il ma système de jeu de 4-3-3 il nag comprendre ngeen à Cissé lan lay gën di jouer ak également nous utiliser le plus souvent le 4-3-3 à pointe basse et surtout gars pour cela, solo like surtout on a grandi la famille de Diego retard hier parce que ayant ayant yeneen engagement un engagement jëf